yeah, yeah, yeah. muna da babban bako wanda ya wakilci dsp muhammad dalha bello commandant nigerian police constabulary and wanda ya wakilce shi shine dsp sani dahiru ya kasaye mr bashir md hikim mr come on step please mr bash for mr bashir Uh, please All right, please, uh, we're going to the awards proper. Please, can I have your attention? DJ, the mic is low, please. Uh, we're going to the award proper, but one thing we want to do is uh, uh, present a certificate of uh, the next host to the host country. We'll have a representative from that country, and uh, the person that will do that is uh, the GM of Welfare Transport. There are major, major partner, Alaji Mohamed Gagara. Please, can you make your way to the podium? DJ, DJ, Alors, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mohamed Gagara. C'est le partenaire officiel de Wama Award Welfare Transport. Uh, welcome, sir. Uh, this is the certificate for the Austin Right Warmer Award Season 7 2020. So we are giving it as a representative of Niger. So this is their certificate, please. Okay. Thank you, sir. And at the same time, sir, your speech. Assalamu alaikum. Uh, good uh, evening, uh, lady and uh, gentlemen from uh, Nigeria, from uh, Ghana, from Niger, from Cameroon. So, good evening, Africa. Thank you for Nigeria authority to have uh, accept our installation here in this great Nigeria. Thank you, Oslo to uh, Wama, our team. Let continue in France. Uh, bonsoir mes frères, uh, mes frères invités. par la grâce de Dieu, nous voilà aujourd'hui au haut de ce podium pour manifester les plaisirs de Welfare Transport de se tenir en face de vous. Présenter également collègues du Nigeria, ce qu'elle présente, et ses euh, dimensions à travers le Grand Nigeria et l'Afrique tout entière. Welfa Transport Voyage, euh, euh, avant de développer ce qu'elle est, remercie pleinement l'autorité fédérale et gouvernementale du Nigeria. remercie également de, de, différents local governments dans lesquels elle évolue, de Kano en passant par Kaduna, Jos, Abba, Lagos, euh, Kachena, euh, euh, Gombe, nous pensons dans peu de temps se déployer à travers l'ensemble du Nigeria, de telle sorte à, mieux répondre aux attentes de la population. Welfare Transport Voyage est une compagnie qui est à votre disposition. Elle a quelques secrets nouveaux qui riment avec des concepts nouveaux, notamment euh, un transport rassurant, sécurisé et de qualité. Un transport euh, qui respecte toute la déontologie euh, du cadre du transport, notamment avec un certain nombre de conforts, la climatisation bien sûr, parce qu'il faut garder l'homme au frais. Mis à part la climatisation, vous avez du Wi-Fi, du Wi-Fi à Holten dans nos, dans bus. Vous avez également une tradition hors pair n'avons pas trouvé au Nigeria. Euh, ici, au niveau de welfare, nous ne faisons pas d'attachement nous ne faisons pas de surcharge. Euh, nous prenons 000 personnes et nous nous contentons de 000 personnes. Quel qu'en soit ce qu'on va nous augmenter, on ne prend pas. De telle sorte à permettre à l'homme de se, de se, tenir bien jusqu'à l'arrivée. Euh, pour ne pas tant s'occuper à, tant occuper à euh, tant occuper la place, je céderai un peu à mes collègues, notamment euh, Al-Haji euh, Al pour un peu en Hausa, pour, pour davantage dire ce qu'est Welfare Transport Voyage. Donc, à cet effet, nous, nous félicitons nous félicitons vraiment considérablement avec tous les plaisirs de l'équipe d'AMA d'avoir ciblé, ciblé Welfare comme euh, leader des transports au niveau du Nigeria. Donc nous voulons également leader des transports au niveau africain. Merci encore, merci encore. Merci à vous, nous vous souhaitons une bonne soirée. manyan baki gida da waje idan ku zo lafiya Allah ya mai da ku lafiya Allah ya tabbata mana gari wal faya kuma alhamdulillah wal faya ta zo da taimako na duban karban kuma na duban jihar Kano gaba daya da Najeriya mun gaba daya alhamdulillah wal faya ta zo jihar Kano da Najeriya gaba daya ta taimaka wa mutane aikin yi kusan mutum 250 sau haka mune musu godiya da Allah suka kawo mana wannan abin ci gaba a ƙasa a Najeriya gaba ki daya jama'a taya mu addu'a yadda muka fara wannan abu lafiya Allah sa mu gaba lafiya kuma Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kan abin da muka sa a gaba sawaka mu ne mu godiya Allah ya bai da kowa gidansa lafiya Allah ya saka da alheri Assalamu alaikum. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Mamoundou as Chief Administration uh, in Welfare Transport. We are welcoming everybody here and wishing good event and we are very happy to be here as part of official partnership with AMA Awards, 6th edition 2019. Great moment, everybody. Thank you. Okay, Luisa. Applaudissez pour Welfare Transport. Applaudissez, applaudissez, applaudissez. Et sachez que c'est une, une euh, agence de transport nigérienne hein, qui est implantée au Nigeria. Applaudissez, applaudissez. Thank you so much. Clap your hands. yes. Yeah. Clap your hands. Okay. I want to start to speak in English. Okay, yeah, speak you know, English is not so strong. Okay, speak English, speak English. Okay, Okay, okay. <laughs> All right. Um, please, we are starting the award proper. Uh, we want to start with the big one, people who have been supporting us seriously, who is making this to, uh, to be possible. We want to call on uh, our matrons. Uh, the two of them, we will give them the award, then we'll proceed to the, uh, the category for the awards. I want to call on the representative of uh, our patron, Ajia Asia Balarabe Abdullahi Human Gandhije who is the daughter of the executive uh, governor of uh, Kano State, ably represented by Alaji Rabi Ujafar and his entourage. Please come up on stage for the uh, receipt of the award. Thank you. Please, let's put our hands together as he made his way up to the stage. He's representing the patron, Ajia Asiya uh, Balarabe Abdullahi Umar Ganduje. DJ, please, can we have soft music? 进，进，进。